salaamaaleykum mbokk internet yi IGFM euh, ñu ngi fi ci IGFM TV euh, ñu nar a waxtaan ak yam lepp lu jëm ci walu kan bi ñu joggé Coupe d'Afrique des Nations bi jeex euh, ya une semaine de cela semaine bi passée une semaine après nag donc dañ ci nar a ki di euh Ablaye Thiam mu nekk journaliste feulé ci Sud Quotidien également mu nekk président de l'ANPS xam naa du bëgg souvent ñu wax mais c'est c'est normal fokk ñu wax ko ak également président IPS Afrique Ablaye ñu lay nuyu. may lay fay Salif di nuyu sen mbokk internet yëpp. Ablaye ñu ngi dañuy commencé juste euh, ci CAN euh, bi bi ñu jógee une semaine après yo ya nga ci Côte d'Ivoire euh avant ñuy gëna sori ci euh, waxtaan bi nga wax ñu un peu bo doon tiré yow sa bilan yow lan nga gis ni lan nga gisee CAN bi que ce soit walu yépp wàllu organisation bilan sportif également yow nan nga ko gissé yow d'une manière générale CAN bi. Euh, kan bu neex la bokk na ci kan yu gën a neex depuis seen première édition en 1957 te loolu war digg yàlla même suñu couvrir compétition yëpp man maa ngi woon si sama dixième coupe d'Afrique donc euh, dafa nekkoon kan bu am solo en terme d'organisation d'abord autorité yi aussi def ci xaalis bu bëri ba xaalis bi sax pour man dafa xaw a jéggi parce que sooy xayma euh, depuis infrastructure yi ñu tabax yi ñu réhabilité tali yi ñu ci yokk terrain d'entraînement yi euh, équipe bu nek mu am propre terrain d'entrée am loolu tamit mu nek Goulet, parce que généralement gars yi dañ doon xëccoo di buuxante mais bi pas 24 équipes qui ku un dafa am terrain d'entraînement am hôtel yi ñuy tabax aussi euh, soo xaymaa presque met modna presque 500 milliards de francs CFA 500 milliards si boy réfléchir de plus près tu va dire que à part l'Afrique du Nord ak Afrique du Sud est-ce que dina am un dekk bu nek fi ci Afrique bu am capacité organiser coupe d'Afrique bu mel bi Côte d'Ivoire Euh, même su fekkente ne day am dina jafé trop parce que suñu xolé suñu dëkk yi dafay nek ay dëkk yo xamné lo loo gis rek ay priorité la ñu ngi nek fi Sénégal am nañu bay légui abri provisoire am nañ ñoo xam waxuma la sax waxuma la forage waye ten sax soxla lañ ko té amuñu ko donc lolu day jafé trop motax nak man may réfléchir euh, manan kaf dafa war a xoolaat nu muy joxé coupe d'Afrique yi dëkku africain yi légui muy CIO e muy FIFA yépp dañuy dem ci lu ñuy woowee co-construction doo jot rek ñëw nga indi sa compétition nga jox ma ko ma def ci xaalis bu bëri yow nga jël sa sponsor nga jël xaalis après nga dem ñibbi da nga war a participer ci organisation bi loolu xel boo xam ne dañ koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy waa waa CAF. Euh, deuxième aspect bi ci wàllum mobilisation parce que booy xool am na woon na benn moment sax dañ doon ŋaññi ñu naan Côte d'Ivoire boo fu bulul rek seen stade yi du du fees. Mais ce n'est pas le Parce que de San Pedro, Corogo, Yamoussoukro, Boake, Abidjan, les deux stades sont dans pratiquement les sont quantifiés, dépassent presque 60 voire 70% en termes de, de, remplissage des stades. Il y a des matchs qui ont frôlé 90% voire 95%, surtout Côte d'Ivoire football, voilà le Sénégal football contre Cameroun. Donc, ces matchs, généralement, c'est des affiches. lu mel ni Mali di dajak euh, Guinée équatoriale genre yooyu mun na am wala du ma wax Mali sax mais Mali population bari woon na foofu mais Mauritanie par exemple buy dajak Guinée équatoriale loolu mun nañ comprendre affiche yooyu noonu du bëri ay population wala Cap Cap Vert Afrique du Sud doon mooy voilà loolu mun nañ mun nañ comprendre yooyu c'est ça dépend des affiches waaye Sénégal bu dajak Côte d'Ivoire day doon fees dal la ñëpp gis nañu Sénégal bu mu doon dajak Guinée dafa feesoon dell Sénégal bu mu doon daje Gambie dafa fees dell ñun quart de finale yi dem nañ ba Boaké ñu seetaan yi foofu ay match de gis nañ stade yi dafa doon fees dell ba nit ñi dañu bu ñuy génn sax dañu am problème eh, su loolu weesoo aussi gis nañ ci organisation bi peut-être ci wàllum terrain terrain yëpp terrain yu mucc ayib lañ defar wax dëgg yàlla amul benn joueur bu taxaw naan su ma duggee ci pelouse bi kat pelouse bi baaxul donc ça c'est un aspect extrêmement positif beneen aspect bi aussi euh, ci wàllum transport transport bi aussi

ben aspect bi xam aussi CAF war na ko xoolaat mooy ci walum accréditation parce que Coupe d'Afrique bu joté nga def 5000 accréditation 5000 demandes nga am ko lolou dañ ci sante yalla bu baax sunu Coupe d'Afrique la euh, parce que tey jii bu weesoo Coupe du Monde bu wesso euh, Jeux olympiques danaka kan euh, day concurrencer UEFA ci walum euro day concurrencer Copa America day concurrencer Champions League championnat du monde d'athlétisme donc ce qui veut dire compétition voilà day dafa nek compétition bu bu am solo mais nak aussi il faut que visibilité bi ñuy wut il faut ñu bàyyi ci xel parce que dafa am ñoo xam ay journalistes lañu dañ leen tagat ñu jang xam luy éthique xam luy déontologie xam lu ñu war publier xam lu ñu warul publier mu ñu régir leen ci ben ordre bo xam ne du ordre sax mais quand même c'est des règles d'éthique et de déontologique écrites yo xam ne journaliste bu bëgg nek journal il faut nga xam ko ren jii nag bi ñu demee fële dañu gis ñu accrédité jox ko bat jox ñooñu ay badge de presse man tere wuma sax nga wut ay influenceur baax na ci nga wut ay tiktokeur baax na ci nga ay ñoo xam ne dañu yoree ay seen compte baax na ci amul problème mais munoo leen jox badge accréditation presse parce que loolu boo ko joxee ñu toog ci tribune presse bi ñooñu jànguñ ñun luñ jàng moo tax problème yu bëri yi fa amoon ñooñu ñoo ko indi ñooñu mënuñu dem zone mixte ñooñu mënuñu dem salle de conférence damay jox firnde rek diggante sénégalais yi a guinéens xeex bi fa amoon ben influenceur moko indi parce que journaliste sénégalais mo posé question soo posé question question bi mu neex mu nakar yeb amul ben journaliste guinéen bu am droit tontu la ki la wara tontu moy entraîneur bi wala ki nga xam dañ koy tuddee média officiel kooku moy jouer le rôle de gendarme et de policier dans la salle kooku mo lay wax ni question bi kat bokul ci lu ñuy xaar donc entraîneur bi nak su la nexé nga tontu su la nexé nga bañ tontu su entraîneur bi tonto baxna mais journaliste mënul tëb tëb né la non non non boroo euh, posé question bi te loolu ki ko defoon benn guinéen la te du journaliste influenceur la moo tontu woon journaliste sénégalais ba affaire bi indi foofu ñagas ñagas heureusement man ak ki nga xam ne mooy sama sœur di Kadiatou Traoré dox nañ ci tànk jàmm ba loolu yëpp sotti en tout cas mun nañu wax ne grosso modo wax dëgg yàlla Côte d'Ivoire réussir na compétition am euh, kan de l'hospitalité bi ñu doon wax aussi ñu ñëpp gis nañ ko man sax benn moment du chauvinisme sax mais dama yaakaaroon sama réew daanaka moo dakk ci réew yëpp lol dara sama sama sama jusqu'à présent parce que ñun fi ku fi Nous ñu accueillir la waye bo aussi di rendre compte que ni sénégalais yaangi fa guinéen yaangi fa malien yaangi fa parfaite intelligence donc lolu wax nous yalla dëkk bi réussir en terme d'organisation en terme de mobilisation Coupe d'Afrique.

yàlla def nag ñu dem ci compétition bi loolu mu am comme ñun buñ doon accrédité taggawuñu bi ñu waxee lee avertir noonu nag woon nañ leen aussi li ñu mënoon def mooy bind benn bataaxal génne ko dañu bind benn bataaxal nag génne ko ñëpp gis ko te ñoom seen wàllu bopp sax kaaf dañu ne Ablaye li ngeen bind kat dëgg la mais comme ay partenaire lañu buggoon nañu ëllëg ci biir ngeen toog ñu waxtaan man nag balaa ngay waxtaan ak man da fekk déjà si njëlbeen boobu waxtaan nañu su fekkente ne man alerté naa la faale woo li la alerté nga def lula la neex man tamit bu dara amé amna sañ-sañ aussi def man tamit lima ma neex defuma sax lima ma neex mais quand même damay attirer sa attention né la li nga def ni, té ko fenn attention parce que ñun journaliste lañu dafa melni comme avocat dafa melni comme magistrat dafa melni comme médecin ak ñeneen ñeneen métier bu noble lañuy exercer dañuy jàng luy éthique jàng déontologie xam lan la ñu mun a xam luy tass réew xam luy yak réew xam luy défar réew xam luy défar sun compétition wayé bo jëlé ñenn ño xamné ne da nga leen dugal ci biir juste clic mo leen neex clic kessé suñ ñëwé ñu génné luñu ñu warul génnee loolu soo moytuwul day indi yenen problème boobu nag moo taxoon ñu attirer sen attention et biñ ko défé ba paré ñom direction communication bi ki nga xamné mom moy mooy Luc Septembre man woo ma personnellement mu ne ma ah Ablaye sa doxalin bi dé neexuma mais mu naa la comprendre ëllëg ci biir nag bugg dara bu amatee nañ toog ñu waxtaan ñu sàccante xalaat ma ne ko amul benn problème man tamit balaa ngay sumb dara bugg naa aussi nga laaj ma sama avis comme ça ma jox la sama avis ëllëg ci biir soo defee naka su dul loolu ñu mun a toogaat autour d'une table ñu waxtaan. jërëjëf euh, ci loolu leer na yaakaar naa léegi dañuy avancer un peu lu dem si bilan euh, côté chiffres yi. Mhm. parce que je pense que ñu bëri aussi attiré attiré na attention ñu bëri am na ñu bëri loolu tax ñu ne. Euh, moom mooy meilleur CAN contrairement par rapport à euh, bi bi jot a au Cameroun parce que on a gis 113 bi yu ñëw la ñu ci ci ci conversion mmh. premier tour mmh. mais lolu on peut ça peut ça peut mën na nañu permettre tay ñu oser wax ni ki CAN bi également bokk na ci lu gën lu gën euh, prolifique. oui oui oui parce que ouverture bi amoon na ba paré encore mu am nivellement par le haut parce que tay jii so xolé bu baax équipe bi euh, amatul équipe bo xamné de prime abord mun nga ne wax né ki bu ñëwé kat moom moy remporter coupe d'Afrique parce que bo xolé par exemple Algérie épouvantail la ci Afrique lo mun ta wax c'est une très grande équipe mais dafa dem ci coupe d'Afrique bi mu laaj Égypte dañ ko doon xaar mu ñu éliminé ko Maroc moy demi finaliste guleet ñuy gis ben dëkk africain buy dem ba demi finale coupe du monde waye bu mu ñëwé gis nga nañ ko éliminé nga gis dëkk bu melni Guinée équatoriale progression bu muy def nga gis dëkk bu melni Mauritanie progression bu muy def nga gis Sénégal dañ demone sax pour remporter suñu deuxième étoile waye kan mo ñu éliminé Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire fan la jaar Côte d'Ivoire mo terminé mais quatrième parmi les quatre meilleurs troisième bo fofu la jógee finalement muy yek muy yek muy yek ba remporter trophée continental bi donc loolu moo bo xolé en terme de but en terme de dispositif tactique en terme de renversement de situation parce que bari na ci ñii ñu mën leen ñii ñu dem égaliser ñi ñu mën leen 2-0 ba affaire bi des ay 10 minutes rebondissement yi bari loolu nak charme de football le loolu lañ doon football et surtout aussi sunu le yi aussi euh, tay ji dafa am fuñu coupe d'Afrique parce que sunu sunu star ñëw nañu men ñëw na Sadio Mané ñëw Salah ñëw na Mahrez ñëw na euh, ñeneen ak ñeneen Seko euh, Fofana bu Côte d'Ivoire ñëw na ñeneen ñëpp ñëw nañu mu gis aussi benen aspect bo aussi bu am solo aussi il y a quelque chose qui se fait en Afrique et c'est possible parce que jadis dañ doon gis Égypte danaka des, trophée am yi Égypte dafa être benn réew boo xam ne plus euh, ëppalee Coupe d'Afrique effectivement c'est vrai, mais si on ossature équipe am joueurs yi ñu nekkoon Égypte rek ñoo doon Zamalek Al Ahli cette fois ci si on regarde l'Afrique du Sud sur les 11 titulaires les 7 sont de Mamelodi Sundowns donc l'Afrique du Sud est le football Il y ou deux joueurs professionnels même nous, ils jouent en Afrique donc ce qui veut dire que aussi sur le continent une ligue benn est en train ñi di def donc aussi se xeeb lu ñuy France defar parce que Afrique du Sud équipe bu mu fa présenté wax dëgg yàlla équipe bu baax la fa présenté dans tous les compartiments du jeu D'ailleurs, ailleurs soo xoolee même seen meilleur gardien bi sax seen kii bi moom moo ko match de football contre contre contre la RD Congo c'est seen kii boobu noonu match bu am solo lañ def contre nigeria ils ont fourni aussi un extraordinaire match euh, wax dëgg yàlla euh, Coupe d' Afrique bi su ñu la meilleure des compétitions waxuñu ko rek parce que c'est la Côte d'Ivoire c'est la porte d'à côté c'est un pays francophone non c'est des chiffres d'abord yi nga gagné, mais c'est aussi performance émotion vous émotions yu coupe du monde et surtout aussi les surprises mun considère ko considérer surprise oui mais nous nañu aussi considérer qu'il y a un énorme travail qui se fait parmi les petits les pays supposés être des, des petits poussés. par rapport à ce sacre Côte d'Ivoire il y a une collègues qui évoqué léegi parcours am euh, jot wax Côte d'Ivoire est-ce que vous nga ko wala à quel moment aussi la nga nga l'équipe gis ne ki équipe bi trophée bi ban moment nga nga ko non mais man Côte d'Ivoire musuma musul bokk ci ñoo que ne damay considéré day egg final parce que dama gis équipe bi. C'est vrai que à mon chance aussi c'est leen bu ñuy football contre Maroc parce que faut la ma compte. gis naa nous ñu def match bu am parce que match match nul lañ defoon contre qui. mais bon, c'est l'équipe équipe bi euh, dañ def dosage entre les anciens et des nouveaux mais équipe en dehors de Seko Fofana amul il n'y a nekk une star confirmée même Sébastien Aller ne coule de la trempe de Sadio Mané coule de la trempe de Mahrez et Yoyno. donc c'est des joueurs plus ou moins moyens rax Dolly aussi entraîneur bi dafa yóbbaale sax ay joueurs yoo xam dañ blessé woon ba gars yi commencé woon di critiquer par exemple le jeune là euh, Ndriga kooku nekk na un des meilleurs joueurs de la compétition à mon avis et c'est l'avenir même du football du football ivoirien voire du football africain mais dafa blessé woon bu ñu ñëwee journaliste ivoirien dañ ko doon critiquer moom ak Allaire bu ñu ñëwee dañ ko doon critiquer waaye gis nga finalement bu ñu ñëwee ñoom ñoo yore équipe bi même le but victorieux qui moo def passe Allaire moom moo jël tànkam dugal un but de véritable avant centre mu remporté ko mais l'équipe, généralement dès l'instant que ñu nek miraculé parce que li leen dal dafa metti le jouer premier match ñu gagné deuxième match ñu donne leen 1-0 troisième match ñu jël carton ñu leen 4-0 humiliation ba nit ñi le président fédération bi démissionné entraîneur bi démissionné L'intérimaire, ñeu assurer intérim bi mu assurer intérim bi fédération bi genn dafa melni ni nga dem di négocier ak ki nga xam ne moom mooy Hervé Renard pour mu ñëw xam nga yooyu yëpp psychologiquement da nga yaakaar ne l'équipe elle est abattue mais déclic bi fu mu amee te ñoom xalaatuñ ko woon c'est quand ils ont battu le Sénégal bi ñu dóoree Sénégal lañ ne c'est fini qu'ils vont ils vont ils vont remporter le trophée continental donc loolu euh, lu am solo la parce que Sénégal épouvantail la ci moment boobu kenn mënu ko woon euh, xalaat ne Sénégal du remporter deuxième étoile am ñoom bu ñu gagné Sénégal la nga xam ne

le trophée bi kenn mënuñu remporter le trophée et exactement c'est ce qui se produit avec la Côte d'Ivoire parce que éliminé éliminer Sénégal Mali nga gagné encore a joué à la 43e minute qui est mené au score Il a un carton rouge terewul tu trouve des ressources nécessaires ba nga dóor Mali continuer Il RD Congo encore dur ko amul Ben équipe bu mën a taxaw sa kanam te remporter le trophée continental euh, Walou, toujours Côte d'Ivoire un peu, mais par rapport à que. Euh, parce que, bon, victoire Côte d'Ivoire, il y en a qui évoquent également le problème arbitrage. Il y a des matchs, il y a na aussi problème bu bu majeur ci pendant pendant la compétition Yo, en tant que spécialiste euh, l'observateur bi nga doon. je vais surprendre beaucoup de gens ñu avons eu l'arbitrage, arbitrage bi mais man je trouve que pour cette CAN en tout cas l'arbitrage était à un niveau supérieur. wax dëgg yàlla c'est pas parce que sama équipe éliminé nañ ko te su suñu waxantee dëgg rek suñu équipe éliminé nañu mais sa Mané waroon na am penalty waroon na am carton rouge carton rouge bu leer nañ la. de le premier période dès la première période. keroog Upamecano même tacle bi na def. ci biir compétition bi ñu bëri am nañ tacle yu mel noonu carton rouge direct lañ am ñu génn. Sadio génnul parce que Sadio la parce que moi je suis d'accord aussi Boy football ay compétition Afrique les stars on les protège arbitre warul wane ne man Ma jox rouge Sadio Mané Ma jox rouge Salah Ma jox rouge Mahrez non les les vedettes on les protège parce que Sadio Mané ñoom ñooy indi nit ñi stade Messi moom mooy indi nit ñi stade Ronaldo moom mooy indi nit ñi stade la preuve tey français yëpp ñu ngi est-ce que le championnat de France nous gagne encore ce fait ne ki nga nous ne moom Mbappé dem na yoonam donc dafa am solo c'est important loolu moo tax Sadio le carton rouge bi le carton jaune. le but effectivement pour moi, il y a un Mais, jeu mais nous rester sur les faits de jeu est-ce que le Sénégal dafa perdre perdre match je suis désolé le Sénégal ne devait aucunement perdre ce match-là on l'a perdu il faut faire un diagnostic sans complaisance de la situation nous xool lan moo ñu perdre match bi nga xamné ñun ñoko et aussi on marque un but matinal quatrième minute. donc mettre en avant. non arbitrage absolument man daan du match bobu rek dama lay jox la Côte d'Ivoire c'est le pays hôte Côte d'Ivoire bu mu jël 4-0 ñaari but contre Guinée équatoriale lañ invalide ñaari but les gens semblent l'avoir oublié ñaari but ils l'ont invalidé kérok jour bi match comme final il y a eu plusieurs phases de jeu yo xamné ne gars yi dañu penalty arbitre bi penalty c'est le pays hôte c'est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir chez les Maghrébins ou bien l'Égypte ce qui s'est passé en 2006 c'était une catastrophe ça c'est la vérité ce qui s'est passé en 2004 au Maroc euh, en Tunisie c'était une catastrophe l'arbitrage moi j'étais là j'étais témoin on nuait les hymnes nationaux euh, hymnes nationaux on sifflait même pas les cartons mais bi wax dëgg erreur d'arbitrage, ils ne sont que des êtres humains, mais quand même, ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils ont été à la hauteur de l'événement. On peut dire ce que l'on veut, mais si ce match, surtout nous, en tant que Sénégalais, sur le match contre Côte d'Ivoire, nous jooy feneen un ñu bàyyi arbitre bi un peu na trop ñu nekk fii naan oui oui arbitre arbitre arbitre oui arbitre si par exemple il sifflait le carton rouge contre Sadio Mané qu'est-ce qui allait se passer on pouvait gagner comme on pouvait perdre mais quand même on allait perdre notre élément vedette qui n'allait même pas jouer encore le match suivant, les quarts de finale. Sadio Mané n'est pas dans une équipe nationale du Sénégal. Je ne dirais pas c'est un repas sans sel, mais quand même, j'ai gagné. donc il y ko bàyyi Nous sommes bibi, bi jeu oui mais il y a des il y a des actions il y ne des nañu wax aussi Côte d'Ivoire et et pourtant arbitre bi sifflé na te kenn waxul dara. ñu avancé un je jot brosser un peu par rapport à élimination Sénégal bi. Mhm. mais donc si loolu ci loolu laa waroon ñëw euh, dañ dañ ciy revenir un peu le Sénégal éliminé dès les huitièmes de finale mu nekk un parcours boo xamante ni am na ñu am na ñu ko jàppee ni échec la échec la. Mhm. yow personnellement lan nga ko est-ce que nga jàpp échec la wala pour yow du échec. mais c'est plus qu'un échec le terme échec kay ce n'est même pas approprié c'est une catastrophe nationale. man li ma jàpp 2014 2017 Sénégal moom moom coupe bi on l'a pas gagné parce qu'on a manqué d'audace ça c'est l'entraîneur je l'ai dit je l'ai écrit et je le réitère encore une fois fii. 2023 pour moi le pour Sénégal est ko En ba on aurait dû tegle ñett parce que am en termes de stabilité fédération sénégalaise de football 2009, Augustin Senghor est là jusqu'à présent on maîtrise tout accompagnement de l'État du Sénégal même si on n'est pas l'Algérie on n'est pas le Maroc on met énormément d'argent au sein de cette équipe nationale du Sénégal les joueurs waxu prime waxu tuñ ko nos supporters font partie des les plus grosses mobilisations. Presse, 114, 115 journalistes ont fait le déplacement. Il n'y a que le pays qui fait plus que nous. Donc on avait tout. Même par rapport à la relève, d'otages savamment orchestré entre les anciens et les jeunes au milieu du terrain. On avait tout. On avait même fait peur à tout le monde. Premier match, on a, premier tour, on a fait un grand slam. Trois matchs, trois victoires. On a battu le Cameroun, dernier bouffé.

son équipe est dangereuse quand elle perd la balle pression bu ñuy teg pour nangu bal bi def la contre attaque Fofu la té fu mu jaar yëpp nak muy Barça muy euh, fait Bayern Dominique à actuellement Manchester City C'est sa marque de fabrique Sénégal dañ demoon ba benn moment a ñu won ci les blocs bas mais on a eu une équipe on a expérimenté beaucoup de choses on a eu un entraîneur qui est là depuis 2015 qui a réussi réussi réussi ba instant yi stabilité bi am fu pas normal qu'on se permette de perdre devant cette, Côte d'Ivoire-là. il faut qu'on nous waxtaan qu'est-ce qui s'est passé pour moi au niveau de la défense il y avait beaucoup d'erreurs Abdoul Diallo il fallait le changer au niveau du milieu de terrain on a comprendre mu onze contrairement à ce que les gens disent parce que moi, je ne suis pas euh, de cela à chaque fois match défaite pour tu dis que va moo un football je donne toujours l'exemple de 2002 2002, on joue les huitièmes de finale, un match extraordinaire contre la Suède. Salif, Djao était au summum de son art. Il n'avait pas joué ce match-là. En quart de finale, on rencontre la Turquie. On a notre équipe type. Et c'est le premier match où le Sénégal part avoir la faveur des pronostics. On joue le match, on le perd. Prolongation. Et les gens disent, les analystes disent, non, équipe bi gagnée contre Suède, moment Salif Diao, milieu de terrain, amul ben kumu le Sénégal moom ak Pape Bouba Diop ko taxaw da ngay tok ci ba bi nga xar c'est pas parce que tu as fait un match qu'on devrait te titulariser désormais waa bu ñëwaatee da ngay tok nga xar lool moy deug il y a eu autre chose qui se sont passées match bi aussi Lamine Camara à un certain moment donné il n'était plus dedans parce que luñ ko football lo xamul lool il est jeune on ne peut pas le confier un gars comme comme comme comme Seko Fofana lool la parce que mun na comprendre nga tek ko démarrer parce que tu as envie de gagner tu as fait un blitzkrieg 5 3 2 non nga continuer à la quatrième minute, il marque un but venu d'ailleurs. Habib Diallo. Très beau but. La Côte d'Ivoire était. Mais moi, à mon amour, jour Ils se sont dit est-ce qu'on ne va pas prendre une raclée encore comme but de contre Guinée, équatoriale Ils avaient commencé à avoir peur. Mais bon, demain, ils ont commencé à marcher, à marcher, à marcher. Il y a quand même ce qu'on appelle les calling breaks. Les pauses, rafraîchissement, là. 30 minutes. Mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas il joue la 60e minute, on revient encore 75e minute, on revient encore Colin Break. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a 80e minute, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on est là statique. Comme si, moi je, moi, je suis cartésien, je refuse d'être dans l'irrationnel pour me dire oui, euh, ah, nous ne pas de rester c'est les histoires Amenez <laughs> tous les marabouts que vous voulez là. Vous les mettez dans un stade, vous jouez contre Manchester City. une tour, il participent à Est-ce que tu comprends Nous avons lolo. Avec vous, amé, nous avons qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour là il y a eu quelque chose on ressort c'est cassé quelque part parce que Sénégal lu football, mënoon footballul footballam dafa ne day défendre depuis la 4e minute jusqu'à la 4e minute dans ce cas donc c'est les choix choix du coach c'est le coach qui est pointé du doigt bien sûr je l'ai dit je que il y a l'entraîneur une part de responsable de l'entraîneur mais de l'autre côté aussi suis pas d'accord suis pas d'accord qu'on prenne que l'entraîneur est responsable gis nga j'ai l'habitude de donner toujours le cas de la France en 2006 coupe du monde France bala ñuy dem 2006 dañ leen éliminé Raymond Domenech dañ leen naroon éliminé ñu jékki-jékki le le grand Zidane était à la retraite ñu dem woyiko Zidane né je reviens à une condition ou deux la première Mama Kelele, la deuxième Vieira na nek ci digg bi mu ñeu jouer mais cette équipe là si tu la vois jouer elle n'avait pas besoin de Raymond Domenech Aliou Cissé tu crois qu'il est là pour apprendre à Sadio Mané comment on joue au football Alou est là pour apprendre à, à, à Khalidou Koulibaly comment on défend. Il est là pour apprendre. Non, mais attendez, il y a quand même quelque chose qui ne va partir, mais on orchestre là. Gars, faire qui pour voir Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien quelqu'un d'entre eux même pour avoir l'audace de dire à l'entraîneur, écoute ce que tu mets là, ce n'est pas bon. Qu'on change. Ah ah mais tu vois, tu vois des joueurs. Man, je l'ai vu avec, euh, je l'ai vu avec Messi à plusieurs reprises parce que j'ai eu la chance de le regarder. Il y avait des moments à la Coupe du Monde, comme à la Copa América, il descendait ils ba ci entraîneur Il y avait même des joueurs qui devaient avoir carton jaune, deuxième carton jaune j'ai vu Messi daw ba entraîneur il faut le sortir sinon il va avoir un deuxième carton jaune mais c'est ça parce que ben moi, il ngay jël tes responsabilités. Ce match-là, le Sénégal a fait a, fait 100 matchs, ils l'ont pas joué. On n'a pas reconnu le Sénégal. Également, le changement, qui est changement de système, c'est tardif, c'est venu prolongation. Oui, exactement, c'est ce que tu Parce tu ne peux pas comprendre l'affaire. Tu es au score. Tu joue jusqu'à la 80e minute, rien de chance. Et puis, c'est au milieu de terrain qu'on est bouffé. Mais si on est bouffé au milieu de terrain, même mon parent là qui est à Dolol ou à Champion il voit ça. Il va dire, mais écoutez, quand il y a quelque chose qui ne va pas au milieu de terrain, changeons le milieu de terrain, renforçons-le. Affaire de Boybi, Lamine. Lamine Camara, le seul match où il n'a pas existé, c'est contre Seiko Fofana. Seko Fofana, il a gars connaît qu'on surveillait comme de l'huile S'il le feu, n'était pas possible. Il était hors de lui, il ne pouvait plus jouer. Et à un certain moment donné, Sadio Mané aussi, le carton jaune qu'il a reçu très tôt là, mais a complètement perturbé Sadio. Mais l'autre, psychologiquement, tu, dois savoir que ce gosse-là, il n'est plus dans le match. Donc tu le sors, d'autant plus que ton alter ego là, il a sorti le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. C'est conforme là, il l'a sorti. Et vous gagner ce que vous Exactement. Parce que le gars, il bagage qui lu muy fournir ci physique dafa bëri ba nga ne il peut pas tenir 90 minutes tout le temps on le sort mais boo ko il amène deux autres flèches qui vont très vite yoo xam ne mënoo leen téye ça la Côte d'Ivoire machine am bi yëpp milieu de terrain donc xam nga ne waa ji de terrain bi moo ay renforce ton milieu de terrain au niveau de ta défense il y avait un problème parce qu'il y avait trois défenseurs qui jouaient avec le pied gauche trois ñett ñëpp pied gauche football Abdul Diallo, c'est un gaucher. Niakhaté, c'est un gaucher. Jacob, c'est un gaucher. Ça a perturbé complètement la position de Khalidou Koulibaly. Mais ça, quand même, je veux dire que c'est tellement flagrant. Moi, même si je suis journaliste, je ne suis pas télévisé, mais tout le monde l'a vu. Donc, donc, euh, il est euh, partagé, il, il, il a partagé, une responsabilité Absolument. Absolument. Absolument. C'est une responsabilité partagée. Moi, je refuse d'incriminer tout simplement l'entraîneur et de dire que les joueurs ne sont pas. Non, ils sont tous coupables dans mais cette quand, Mais quand, on perd, dans, dans, cette situation humaine, pour vous, après, après cette conversion, entraîneur, qu'est-ce qu'il qui, qui doit qu Il y a, il y a normalement avoir une décision, il y aura sûrement. Soit de continuer, ou ou la fédération de décision def ak non mais ci question bi nag bëgg ñu <laughs> non pas pour ñu dire mais quelle décision pour yow décision la fédération ou jël soit Aliou moo war à dem fédération moi moi le départ de l'UCC, il devrait être euh, acté au retour de la coupe du monde. Qatar au Qatar man pour moi, c'est là-bas que le départ de Aliou devrait être acté dès l'instant qu'on a laissé Aliou Cissé continuer le moment là là là moi le timing me pose problème. pour deux raisons. Premièrement, donc le mois de mars là, mois de mars, on a déjà des dates FIFA. Il faut qu'on essaie de trouver. Et deuxièmement, on engage les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a deux matchs au mois de juin. On peut me sortir un petit peu, me dire non, mais Abdoulaye, il y a quand même la jurisprudence Ernest Fayet. Ernest Fayet, c'est un intérimaire, il a remporté le trophée continental. Ou bien tu me dis, oui, Abdoulaye, mais il y a aussi la jurisprudence euh, Regragui, qui est venue, pris le Maroc à quelques mois d'une Coupe du Monde et il a réussi ce qu'il a réussi. Tout comme tu peux me sortir aussi la jurisprudence euh, Belmadi qui a pris euh, euh, l'Algérie à la veille de la Cannes 2019 et qui a touché le Graal. C'est possible. Mais pour moi, là, c'est un gros souci qu'on a actuellement. On va vers une compétition. Comment amener quelqu'un qui va venir Parce que surtout, cette compétition est très importante. N'oublions pas que au début, tout le monde disait que le Sénégal est hyper favori, ça ne change rien du tout. Mais la performance aujourd'hui qui a été réalisée par la RD Congo revigore davantage cette équipe-là. Et elle est, elle est aussi en bonne position comme le Sénégal, même si le Sénégal est premier. On a 4 points, on est premier. On a effectué un déplacement très difficile au Togo. On a fait un match nul. Là, on a gagné 4-0. La RD Congo a perdu un match et a gagné un match. Au mois de juin, on reçoit la RD Congo et on a un derby contre la Mauritanie, qui n'est pas aussi une tarte contrairement à ce que les gens croient. Moi, c'est le timing. Mhm. Moi, c'est le timing qui me pose problème. Moi, c'est le timing. Pour moi, là, dans les normes, l'utilisateur devrait continuer à, à, à, faire correctement. Est-ce que tu penses qu'il a toujours les, moyens de... de, de... de forme Est-ce que mon ne défend le Souvent, les gens estiment qu'il faut arrêter pour créer un déclic. Ça a réussi souvent, oui, c'est une, euh, une, possibilité. Mais je vais quand même te dire une chose, pour avoir côtoyé à l'UCC, pour l'avoir vu travailler, euh, il a apporté beaucoup à cette sélection-là, contrairement à ce que les gens croient. Il a beaucoup travaillé. Il a amené la rigueur, il a amené du sérieux au sein de cette sélection. C'est la vérité et c'est extrêmement important les gens font fi de l'avoir oublié. non, mais pression. Attendez aussi, ça, euh, vous savez, al quand même a été professionnel. Il a bourlingué un peu partout. Il a été le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il a remporté le trophée continental. Il pratique un métier, une profession qui s'appelle entraîneur. Je ne vois pas un seul entraîneur qui ne vit pas avec la pression. La pression fait partie de leur vie. Euh, oui, c'est ce que je dis. Maintenant, moi, la seule question, ce n'est pas que à l'UCC. Moi, mon équation, c'est comment est-ce que le Sénégal peine toujours à jouer contre les pays autres. Moi, c'est ma grosse équation. On est parti d'abord en 1990. On a été éliminé en demi-finale par l'Algérie. On est en 2004, la Tunisie nous a éliminés. En 2010, 2006, l'Égypte nous a éliminés. Et euh, ainsi suite, à chaque fois qu'on rencontre un pays autre, on a du mal à s'en sortir. On a du mal à s'en sortir. Ça aussi, c'est un gros problème. Là, est-ce que c'est une question de mental Est-ce que c'est la pression qu'on n'arrive pas à gérer Si c'est la pression, c'est que ce n'est pas la peine qu'on continue. Parce que quand même, <laughs> quand il es joueur de football, tu joues la finale de Ligue des Champions, la pression, par exemple, Sadio Mane, moi je l'ai déjà dit, c'est pas parce que c'est Sadio, mais quand il y a le, kilo de prendre une balle de la première étoile du Sénégal, au soir du 6 février 2022, à Yaoundé, 17 millions de Sénégalais te regardent. Plus de 30 plus de, plus de 2 milliards d'Africains te regardent. Tu as le kilo après avoir été en cours de jeu. Tu prends cette balle et tu la tires. Et maintenant, on me parle de pression. Moi, ça, ça m'étonne. Ça, ça, ça m'étonne. Parce que ce jour-là, moi, j'étais dans les gradins, parce que j'ai quand même de bonnes relations avec lui, Sadio. Je ne voulais pas qu'il prenne la balle. Quand il a pris la balle, je dis, mais mon Dieu, pourquoi il laisse la balle, pourquoi il prend la balle Parce que j'imaginais s'il ratait, on va oublier tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Je ne parle pas de le plan footballistique et autres, mais on va tout enterrer. Mais c'est pour dire qu'il a géré cette émotion, il a géré cette pression. Il a pris cette balle, et il l'a exécuté avec 17 millions de Sénégalais et il a marqué. Donc, man, ay affaire de pression sur le football professionnel ku le Liverpool sur jouer Naples suñ ma waxee waxu pression c'est que tu n'as pas ta place au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, on peut chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas parce que ce match-là, quand même, il était entre nous. Le Camerounais, les Camerounais sont beaucoup plus forts sur ce plan-là. Et pourquoi est-ce que les Camerounais sont beaucoup plus forts sur ce plan-là et pas les Sénégalais Les Camerounais, sont très forts. Oui, au mental, très forts. Voilà. Donc toi, tu pour qu'on maintienne à l'UCC Oui, moi, je, pense que, comme je l'ai dit, je dis quand on, au retour de la Coupe du Monde, parce que même au retour de la Coupe du Monde, c'était le seul objectif depuis qu'il est là, qu'on a assigné à l'UCC et qu'il n'a pas rempli. Parce que les gens semblent toujours avoir oublié qu'en 2017, on lui a dit franchis le premier tour. Il a franchi le premier tour. En 2019, on lui a dit va en finale. Il est parti en finale. En 2021, Coupe d'Afrique, il a remporté le trophée. Il a touché le Graal. Qualifie-nous à la Coupe du Monde 2018. Il l'a fait. Qualifie-nous à la Coupe du Monde 2022. Il l'a fait. Mais à la Coupe du Monde 2022, on lui a dit quart de finaliste. Il s'est arrêté en huitième de, de finale. Donc, vous aviez une possibilité d'arrêter son contrat. On ne l'a pas arrêté. On lui a reconduit. On a augmenté son salaire. Et on lui a signé aussi une bonus, euh, euh, une prime de signature de, 120 millions. Aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, moi, c'est le, mais moi, ce qui me pose problème actuellement, c'est qu'on va vers une compétition, elle est extrêmement importante. Et si on veut se euh, débarrasser de l'entraîneur, sans sans, oublier aussi la jurisprudence Amra Parce que si vous virez à l'UCC, à moins qu'il se dise que, qu'il fasse prévaloir sa fibre patriotique et autres. Ah, mais vous allez mettre euh, une, bonne facture, euh, un bon chèque sur la table hein, pour pouvoir, se <laughs> Il y a ça aussi. Mhm. Donc il y a la jurisprudence à Traoré ku ndubin rey sa maam nag olof <laughs> yi ñoo wax de du ñun pël yi soo gisee lu ñuul da ngay daw waaw ah, lu waxul ñoom <laughs> merci léegi dañuy ñëw si dernière partie bi euh, on va vers la fin de de ce de cette émission dernière partie bi dañuy évoquer évoquer cela bon les perspectives dans la CAN qui 2025 qui bon y a eu des discussions de gauche à droite ñi ngi wax Maroc c'est pas sûr mu mais mu abrité ko en juin parce qu'il y a la Coupe du monde des clubs qui est là également mais tay rek sank bon avant ma ngi am écho ni kii euh, accord bu normalement bu am c'est pas c'est pas encore confirmé à 100 mais amna accord entre la CAF et euh, le Maroc pour mu am entre juillet août ndax euh, yow affaire situation boobu noko noko noo ko question bu am sol la nga posé lolu sax war na un débat waxuma la national mais continental parce que si on ne fait pas attention le football africain va mourir à cause d'une guerre xex bi nga xamné UEFA mu koy FIFA te la ñuy ñu on n'a rien à voir dedans ce qui se passe c'est que la FIFA l'UEFA européens ils sont devenus très riches la plus belle création du 21e siècle c'est la Ligue des champions Donc, nous ko réfléchir yi ça. c'est la plus belle création rapporte beaucoup d'argent ñu ils ont leur euro tous les quatre ans ñu ils choisissent les dates FIFA ils jouent ce qu'ils appellent la Ligue des Nations il léegi amoto dem nga sax am problème pour am club européen dëkk européen pour nga football ak parce chaque fois qu'il y a une FIFA ils jouent l'Union leur Ligue des Nations donc ça c'est un problème on ne peut plus les avoir deuxième chose Blatter non euh, Infantino xam na né européens ont am nañ pour contrecarrer ça mu dem créer la coupe du monde des clubs il a supprimé la coupe des confédérations parce que on organise la coupe du monde à la veille organise la coupe des confédérations Les a supprimé la coupe du monde avec 32 clubs et 32 clubs yi Afrique ñaar dong la ci européens 12 sur les 32 il va l'amener aux États-Unis au mois de juin et juillet foofu la koy yóbbu Et FIFA le football amul kenn benn mbindeef amul benn confédération bu ñemee naan day organiser une compétition ñëppay taxaw bu mu compétition li ko tax mu indi loolu nag xeex UEFA rek moo ko tax mu indi loolu loolu mooy dëgg donc su ko indee ñun dañu nee ñun africain yi seen coupe d'Afrique bi kat mënu leen ko football maintenant en année paire en année paire maanaam 2 4 6 8 année paire kenn mënu ko football ci année paire. parce que soo leen ko football année paire day coïncider coupe du monde day jot ngeen football janvier février après juin bi encore seen équipe war a dem encore coupe du monde donc seen joueurs yi moo tax ñuy moo tax seen équipe yi di laaj. Nous avons fait des années année paire année à partir de 2012 la dernière année bi ñu organisé Coupe d'Afrique ñu en 2013 2015 2017 et ainsi de suite Nous avons def loolu ba pare ñu avons fait kay ñun suñu problème c'est fini lui il vient il amène une compétition à l'Italie mais il ça parce qu'il y a une période et la périodicité Nous, avons ñu ne nous encore ñun football janvier février nous avons besoin de juillet or juin juillet nous avons fait. nañ ko ñëpp xam nañ ko Afrique kenn ya am nay dëkk yoo xam ne mënoo football juin juillet c'est pas possible taw bi quoi ndax taw la preuve Cameroun dañ ko mujjee yóbbuwaat Côte d'Ivoire dañ ko mujjee indiwaat janvier février ñu d'accord ci loolu donc léegi léegi ñu ne Maroc nag juin juillet lañ ko bëgg a def Maroc 2025 sauf que moom choisir na datam ba pare donc ce qui veut dire que Maroc du ko def c'est clair laaj nañ ko euh, mot CP keroog waxam xamul lu mu ah, parce que il faut que papa ji wax ba pare <laughs> mooy papa ji que celui qui coiffe le football mondial Gianni Infantino pour ñi ñi ci mhm. donc ça c'est clair donc ñu ngi xaar te man gëm gëwuma que Maroc dina organiser coupe d'Afrique bi juin et juillet gëwuma ko soo ko organiser juin et juillet xalaatoo aussi naan da organiser mois d'août parce que ça n'a pas de sens jour yi mënuñ jógee coupe du monde des clubs wer teguchi nga indi len nga len kay len football coupe d'afrique rien la latu bo joge 2025 nga yobou ko 2026 donc football aussi juin juillet parce que juin juillet day am coupe du monde aux états-unis est-ce lolo tax morok bi forcer absolument beug beug maintenir beug jouer euh, absolument jouer août boko jouer aussi donc 2026 parce qu'il y a des états-unis qui es obligé de l'amener en 2027 boko en 2027 day fek déjà Kenya, Ouganda, qui nous organisé à Tanzanie, nous avons organisé 2025, 2027, ont bougé, en 2029. Et si fait ça, Infantino va te dire, on avez organiser tous les 4 ans. Parce que tous les 4 ans, Copa América, tous les 4 ans, Coupe du Monde, tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, il n'y a que vous, Africains, qui faites tous les 2 ans. Donc, il y a possibilité, glisser, glisser, glisser, glisser, vous avez beaucoup J'ai obligé de le suivre problème boobu les Africains. jànkonteel surtout que même les éliminatoires ça nous pose problème ban période la ñuy éliminatoires aujourd'hui on va choisir les dates FIFA pour organiser les éliminatoires de la CAN 2027 25 Maroc c'est le Maroc mun nañu trouver benn modus operandi entre ñoom parce qu'ils ont de très bonnes relations entre euh, Fouzi Lerja et Gianni Infantino voilà Zurich et Rabat ça se passe très bien maintenant je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour organiser ça mais ça m'étonnerait wax pas yàlla ko été 2025 je ne vois pas comment on va faire pour le faire je ne vois pas parce que même si vous club africain les grands clubs européens c'est les plus gros employeurs des clubs des, équipes africaines des joueurs africains donc nous ne peuvent pas organiser une coupe d'Afrique Et Infantino permettre Maroc Maroc Nous africains excusez-moi du terme deug mo neex yalla deug bu jotee dang koy wax gis nga fulla moy jaay daxaar isa ayatu war nga wax lula neex wax ko lula neex dictateur la tout ce que tu veux man en premier je faisais partie des gens qui lui disaient ça mais isa ayatu ken yëbu du tubaab du naar du noir bi du jaune bi du rouge bi bu waxé tay la c'est tay bu waxé demain c'est demain personne n'y peut rien du tout autorité la dafa don fess place am on a fait une erreur on a amené le loup dans la bergerie avec Ahmad qui est une catastrophe de la du football africain mom lañ indi ñu daaneel isa ayatu ñu tek fi Ahmad Ahmad bu mu démé ñu bëgg indi Augustin Senghor gaay defat benen lobby a commencé par des sénégalais xex comme d'habitude El Hadj Malick Sy Souris noonu lañ ko xexé won ak ñeneen sénégalais bëggul benn sénégalais tekki ñom ñoo ñëwaat akor xex indi doomu Afrique du Sud teg ko yow tu suis Motsepe tu l'entends parler Doit sentir ne sax ne qui xam na dara ci football africain Amna Khalis Ga, ouais Khalis n'a nag dafa am ñu mun a am ñu est-ce que parle bu baax li ma c'est ça le problème on a amené le loup dans la bergerie et quand c'est la plus importante compétition en Afrique mooy dundal football Afrique bis bu dof doflo, ba ñàkk ko ba perdre ko Et ñu ngi tant que le football africain est mort sera mort de sa belle mort et xeex journaliste sportif s'il a bokk autorités yi ñi nekk kaf si la ñu war même les présidents de la république même les états s'il a ñu war parce que amul kenn kuy fallu fi. même Motsepe bu mu buggee falu il faut que le président de la république Macky Sall jox ndigal Ablaye Sow wala Maguissène Senghor wala keneen kuy voté soo leen demee Sénégal du lay woteel booy dem FIFA aussi dañ naan ñun jiw la ñuy wooteel donc ñun nañu xam lan mooy suñu intérêt suñu intérêt mooy suñu football européens yi ñu ngi xeex pour defar seen football américains yi ñu ngi xeex pour defar seen football gis nga asiatiques yi ñu ngi xeex pour defar seen football ñun africain yi ko nare d'être les dindons de la farce comme euh, euh, continent bi cinquante quatre états la waroo ma soxla rek parce que soxla nga élection élection jot na rek on mobilise ñu ñëpp ñëw wooteel benn nit bu jeexee mu bàyyi ñu fu mu dem yoonam suñu mbébét moy xeex pour football africain en tout cas man lo lay digal képp ku journaliste sportif le football africain d'abord le football africain d'abord et loolu yàgg naa ko wax wax naa ko ba wax ko ci même bu ñuy voté ballon d'or nañu may suñu jamm di wax fi ay objectif amul man suma ma sa Sadio mom lay laay européen sen boy yi la ñuy les les les latinos là Messi la regarde les résultats est-ce que vous comprenez à moins que nag nga ne lii qui li ne fang ça on peut le comprendre il y a Messi il y a Messi il y a les autres mais moi ce qui s'est passé en 2019 ça me reste toujours en travers la gorge et je l'ai dit à tous mes confrères qu'ils soient maliens guinéens mauritaniens tous qui n'avaient pas voté pour Sadio Mané n'ai pas dit qu'en 2019 Sadio Mané dafa gagner mais dama que ko Sadio Mané pas ci podium c'est une catastrophe et ça les Africains ont une part de responsabilité dedans et je le dis encore une fois Moussa naa ko la wax fii dama la koy répété waat wax dëgg yàlla xeex diggante Modibo Keïta ak Senghor sama yoon nekku si moi je suis un enfant du 21e siècle xeex diggante Sékou Touré ak Senghor sama yoon nekku si li amal solo moy Sénégal Guinée Mali Burkina Faso ñu ñëpp ci manko nek ben benn kaddu tey Guinée li len Matar Ba waxoon ak Augustin Senghor bu ñu nangu won co-organiser avec le Sénégal kan bi du mos a Guinée di dem fale fii lay nekk 2025 mille vingt fii fii lay nekk dem dem fële mais ku nekk dafa nekk dafa gëddalam si ah, ah, Alpha Condé soo waxee Sénégal rek mu gis Macky makisal Sénégal c'est le président de la République ñun ñëpp ñoo ko donc à chaque fois que tu vois Macky tu as l'impression d'avoir vu le diable <laughs> donc ça c'est un gros souci donc voilà et on paie les pots cassés merci Ablaye moo nekkoon plaisir pour moi merci vraiment ci ci plateau bi vraiment je pense que message yëpp jàll na ah. par rapport ak li ñu fi jot a wax euh, surtout li nga mujjee wax léegi aspect bu am solo la wàllu CAN bi j'espère que CAF également dinañ bàyyi xel message yi di jàll parce que football Afrique warul warul warul dee warul merci Abdoulaye ñu ngi lay jaajëfal ci euh, di ñëw bi nga ñëw fii ci IGFM TV léegi jërëjëf waaw muy muy waaw kontaan parce que je n'oublierai jamais aussi ce que le boss a fait pour nous

Je ngi aussi remercier Nima ma également l'équipe technique bu ah, nekk derrière di leen wax ni merci beaucoup par rapport à euh, ligue bi allez à la prochaine